c'est justement cette euh, mesure disciplinaire que nous sommes venus ici pour les éminents Vous le savez, comme nous le savons tous, cette procédure a été diligentée uniquement par le président de la République, Macky Sall. Ababa Karsal. Sall, l'a dit à l'entame du dossier, alors qu'il comparaissait pour la première fois devant des magistrats du tribunal régional de Dakar. Khalifa, Sal, Khalifa Ababakar Sal a dit en fait que le président Magistral a fait une offre qu'il a déclinée. Et c'est ce que j'ai dit, c'est cette offre politique qu'il a déclinée qu'il lui, a, d'être aujourd'hui ici et d'être condamné pour 5 ans. Le crime qu'a commis Alifa Ababakar Sall, c'est d'avoir dit non à l'offre politique de Macky Sall, qui voulait que Macky Sall s'engage à ne pas briguer, à ne pas présenter sa candidature pour les élections présidentielles. Donc la chose est claire. C'est une mesure dite euh, disciplinaire, mais en fait, c'est une révocation qui est somme toute arbitraire. L'arbitraire, nous l'avons vécu tout au long de cette procédure. Nous l'avons vécu parce que tout au long de cette procédure, aussi bien en première instance qu'en appel, et devant cette auguste assemblée, nous avons présenté des demandes de mise en liberté provisoire. Nous avons présenté des demandes de cautionnement. Nous avons présenté des demandes d'expertise. Mais elles ont été toutes systématiquement rejetées. C'est pour vous dire que la messe était, était dite. La messe était dite avant même que Khalifa Sall ne comparaisse devant cette juridiction. Nous Ne nous voilons pas la face et disons les choses clairement. Khalifa Sall, Sall a voulu le détruire pour l'écarter définitivement des élections présidentielles de Pour 1,7 milliard 1,7 millions, 1 milliard millions qui ne sont pas rentrés dans sa poche parce que cet argent provenant de la caisse d'avance servait à venir en aide aux nécessiteurs Elle servait à venir en aide aux gens malades à des personnes qui devaient être évacuées en France parce qu'ils étaient atteints de cancer ou de prostate de maladies qu'on ne pouvait pas soigner ici. Et cet argent, c'est 1,7 milliard dont on parle, qui n'a même pas fait l'objet de l'expertise, servait aussi à venir en aide à certains membres de l'exécutif qui ne l'ont pas démenti. Et je le dis à même à certains membres de la magistrature qui ne l'ont pas démenti lorsque je le dis. C'est pour vous dire que c'est une décision unique, une décision arbitraire. Lorsqu'on voit ici, c'est cette actualité qui nous brûle les oreilles. Nous, on voit le propre frère du président de la République, à qui on accuse, son frère, on dit que arbitraire et que le peuple sénégalais ne mérite pas d'être dirigé par un président qui prend des mesures arbitraires, des mesures uniques.

rakkam di tëj ay opposants yi dama ne kooku vraiment bénéfice ko bon pour revenir euh, si question bi ñu ma posé li ñu indi fii mooy procédure bi nga xam ne Macky Sall daf ko jël daal di dindi daal di dafa daal di tax tax la Ababacar Sall la mairie de Dakar man dama ne mesure boobu soo gisee mu jël ko c'est parce que Khalifa Ababacar Sall wax na leen ko

Khalifa Sall euh, Macky Sall lu ko ah. def pour si teg bu coom-coom te déedéet su ma rakk la kenn di ko puusu wante yàlla mi ñuy mi ñuy wane boppam te yàlla bu soobee yàlla dina fay bi ñuy bi ñuy dina ñëpp dina leer bu soobee yàlla yàlla ni yàlla atte euh, yàlla dimbali si natt bi nga xam ne mooy tax yàlla dimbali ñu président boo xam ne dañuy brader alalu réew mi alalu réew alalu pétrole bi alalu richesse minière yi alalu richesse pétrolière yi alalu richesse gazière yi du benn famille moo ko wala moom ak yi moo ko alal bi peuple sénégalais moo ko moom donc nañuy leeral mbir yi yoon def liggéeyam te bañ a faire parce que kenn nous comprendre que un rapport de IGE si un rapport de du IGE e, ñu yóbbu Khalifa Sall prison